Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey, chers auditeurs et auditrices des médias partenaires de Studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission radiophonique quotidienne de débat et d'échanges sur des sujets d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. La préservation de l'environnement en période de conflit armé, comment y parvenir est notre thème de ce soir. En 2001, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la journée du 6 novembre comme étant une journée internationale visant à assurer une meilleure préservation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Depuis que la guerre existe, l'environnement et les ressources naturelles en sont les victimes silencieuses. Les récoltes sont incendiées, les puits pollués, les sols empoisonnés et les animaux tués déplorait l'ancien secrétaire général de l'ONU lors de l'édition 2015 de la célébration de cette journée. Que prévoit le droit international humanitaire sur la protection de l'environnement en temps de conflit armé Comment renforcer cette protection de l'environnement en temps de conflit armé Pour répondre à ces questions et à d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir euh, comme invité Monsieur Lawal Abdoulaye, il est conseiller juridique de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Niger, CICR. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité est Monsieur Alfred Goubagué, il est juriste également et président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH euh, et des droits de l'homme, Raza Press, DIH, euh, DH. Euh, président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. Notre troisième invité est en ligne au téléphone depuis Sharm el-Sheikh en Égypte où se déroule en ce moment la conférence des Nations Unies sur le climat COP27. Il s'agit de Sani Yuba, coordonnateur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Monsieur le directeur exécutif, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Michel. Bonsoir à tous. Merci à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Commençons par la première partie de ce forum pour d'abord comprendre ce que les tests euh, en vigueur prévoient sur la protection de l'environnement en temps de conflit armé. D'abord, euh, quel est le lien entre conflit armé et environnement. Monsieur Alfred Goubagué juriste euh, et le président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire DIH et des droits de l'homme, Raza Presse, DIH et DH. Merci, Monsieur Michel. Euh, déjà, quand vous prenez les conventions de Genève, mhm. vous avez euh, une première convention qui régit les hostilités mhm. sur terre, mhm. une deuxième convention qui régit les hostilités sur mer, une autre convention qui protège les prisonniers de guerre et une quatrième, les populations civiles. Mhm. Alors, j'ai parlé de, terre, j'ai parlé de mer, etc. Mhm. Cela nous renvoie à la définition de l'environnement naturel. Mhm. Parce qu'il faut définir ce qu'on entend par l'environnement. Il s'agit justement de cette convention de Genève du 12 août 1949 euh, et ses protocoles additionnels. On parle euh, d'environnement naturel. Naturel, Mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que là, il faut distinguer justement l'environnement naturel d'un autre type d'environnement, parce qu'on peut avoir un environnement culturel, socio-culturel, mhm. mhm. on peut parler de l'environnement du travail, etc. Mhm. Mais ici, ici il s'agit de l'environnement naturel, la nature. Vous voyez. Là, quand on parle de la nature, nous voyons automatiquement la mer, nous voyons les animaux, les animaux nous voyons les montagnes, nous voyons exactement la végétation, les forêts, etc. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quel est le lien que nous faisons entre l'environnement et le conflit armé. Donc, si déjà les conventions de Genève du 12 août 49 ont réglementé la conduite des hostilités sur la mer, donc déjà vous voyez que la mer est une composante de l'environnement. Les conventions de Genève ont également réglementé le conflit armé sur terre, en campagne. Et qui parle de campagne peut également faire recours à la terre, peut également faire recours aux montagnes, peut faire recours à la forêt, etc. Donc si les conflits doivent se dérouler dans cet environnement, sur la mer, on est d'accord que cette conduite d'hostilité peut avoir un impact sur cette mer. Mhm. Parce que dans la mer également, il y a les fonds, fonds sous-marins, il y a euh, des espèces vivantes sur la mer. Mhm. Quand on parle de la terre, des conduites, de la conduite d'hostilité sur la terre également, il y a la végétation, mhm. il y a les plantations. Donc, la, la, guerre peut avoir un impact aussi sur la végétation, sur la forêt, sur euh, tout ce qui permet aux populations civiles de vivre. Je vous prends un exemple dans les conventions de Genève, il est interdit de s'en prendre aux biens indispensables à la survie des populations, hmm. parmi lesquels, par exemple, les, points d'eau, hmm. les fleuves, etc. En cas d'attaque, on ne doit pas empoisonner, par exemple, une mare. Parce que quand on empoisonne la mare à ce niveau, c'est que c'est la population qui va en partir. Qui va en Exactement. Dans la hmm. conduite des hostilités, comme je le disais tantôt, c'est l'objectif militaire qui est important. Les biens civils, les biens à caractère civil doivent être protégés en tout temps. Donc, dans ce sens, les éléments appartenant à l'environnement naturel jouissent d'une protection particulière. Merci beaucoup, Président Alfred Goubagué. Je rappelle que vous êtes président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, Raza Presse, DIH, DHA. Monsieur Lawal Abdoulaye, conseiller juridique euh, de la délégation du CICR euh, au Niger, comment l'environnement peut être alors euh, une victime collatérale en temps de conflit armé. Merci pour euh, en tout cas votre invitation. Euh, Merci à vous d'être venu aussi. L'environnement peut être affecté. Mhm. comme vous l'avez précisé, en période de conflit armé, par les, méthodes, mhm. hein, les méthodes de guerre et les moyens utilisés mhm. durant, durant, durant cette guerre. Euh, et que cela cause euh, incidemment euh, des maux superflus à l'environnement. Par exemple, lors d'une d'une attaque, par exemple entre deux parties au conflit armé, mm-hmm. l'environnement peut être une victime en tout cas collatérale, mm-hmm. et que cet environnement va se, se, retrouver, en tout cas impacté, détruit, par exemple, la végétation, mhm. euh, les cours d'eau, euh, vous avez aussi la faune, mhm. les animaux. vous avez aussi un autre aspect de l'environnement qui est, par exemple, les, fossiles, mhm. par exemple. Ou Dans l'archéologie, euh, oui, c'est des éléments importants. C'est des éléments importants qui sont conservés parce que c'est la trace eh, en tout cas de l'histoire de l'humanité, des, êtres humains mhm. vous, prenez par exemple euh, un site qui porte ces gravures-là, mhm. ces, squelettes, par exemple, de dinosaures, comme celui que vous avez au, niveau du, musée, mm musée national, mhm. donc, c'est pour cela, le CICR, dans ses efforts en tout cas de la mise en œuvre du droit international humanitaire en appui euh, aux autorités lors des diffusions nous rappelons à chaque fois l'importance qu'il y a à préserver euh, l'environnement. Mhm. Euh, le CICR a récemment, avec Monsieur M. Ayouba du, de l'ONG Jeunes pour l'environnement, Jeunes volontaires pour l'environnement, nous. nous avions aussi euh, focaliser la commémoration des conventions de Genève sur la protection euh, de l'environnement naturel. Mhm. Et ils ont eu à faire des présentations, et euh, en tout cas très pertinentes, mhm. dans le but aussi d'attirer l'attention sur la nécessité de préserver l'environnement. C'est une thématique tellement d'actualité mhm. que les autorités, en tout cas, font de leur mieux pour que euh, l'environnement soit davantage protégé comme un mhm. bien civil. L'environnement euh, doit donc être protégé et il mhm. faut rappeler justement que les conventions de Genève du 12 août 1949 euh, mhm. et leur protocole additionnel prévoient justement une protection aux populations civiles et à l'environnement en temps de guerre. Quelles sont les différentes composantes de cette protection D'abord, il y a l'aspect en termes de, de prévention tout ce qui est euh, euh, préparatif euh, pour, en tout cas, identifier les sites par rapport aussi à, ce qu'il a comme élément essentiel à la survie de, la population. Mhm. Et vous conviendrez avec moi, on ne peut pas engager par exemple des opérations, par exemple militaires, si cet environnement-là euh, s'il n'y a pas de, des informations suffisantes, des précautions d'usage euh, pour euh, ne pas nuire et à l'environnement. Merci beaucoup. Donc, euh, nous avons également en ligne euh, au téléphone depuis Sharm el-Sheikh euh, en Égypte le directeur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Ayouba, qui participe donc à cette COP 27 qui se déroule en ce moment en Égypte. Monsieur le directeur exécutif, Selon vous, quels sont les enjeux de la protection de l'environnement par euh, le DIH euh, en temps de conflit Pourquoi vous pensez que c'est important de protéger l'environnement même en période euh, de conflit Merci bien. Mais la protection de l'environnement, c'est au-delà d'une question de survie, c'est une question de vie d'abord. Hum. Parce que quand on voit, il ne peut pas y avoir d'existence sans un environnement favorable, sans un environnement durable, sans un environnement respecté et viable que, que ce soit en temps de paix ou en temps de conflit, la préservation de l'environnement doit être euh, doit être au cœur euh, des préoccupations euh, quotidiennes, que ce soit des dirigeants ou des différentes composantes de, la population. C'est pourquoi les conventions de, Genève ont été avant-gardistes d'ailleurs de, de, montrer qu'il est nécessaire, malgré les, les que nous puissions mettre de côté l'environnement parce que l'environnement nous fournit l'essentiel dont nous avons besoin en termes de substances, mmh. en termes euh, de vie. Donc que ça soit par rapport euh, à la respiration, nous avons besoin de l'air pur, nous avons besoin des ressources naturelles pour notre alimentation, pour notre survie. Mmh. Donc voilà pourquoi il est important qu'il y ait euh, des instruments juridiques pareils et qui sont contraignants, qui sont qui doivent être respectés par l'ensemble des parties prenantes que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. voilà un peu pour, pour nous ce qui est important de mentionner. Et, nous pensons que c'est une lutte commune, c'est un combat collectif, que l'environnement doit être épargné. Vous voyez, par exemple, quand on prend les cas, qui se passe euh, au, Niger, que ce soit autour de la Comadougou, autour euh, de la région de Bifa ou bien à Tilaberi, mhm. l'essentiel, en tout cas, des ressources naturelles sont euh, à, sont un peu respectés. Par exemple, euh, dans le parc du par exemple, les, euh, les autres dirigeants ont même interdit à ce que les, différents là puissent continuer leur activité parce qu'ils disent qu'il faut protéger les arbres, il faut pas couper des arbres, etc. Mhm. Donc au-delà de cet aspect de, de, de protection, l'environnement donne à l'ensemble des communautés autour l'essentiel de leur euh, substance ou des ressources dont ils ont besoin pour, pour la vie. Donc voilà pourquoi pour moi c'est vraiment une question de, de préservation de la vie, c'est une question d'équité aussi, de permettre à ce que les autres générations puissent euh, profiter pleinement des ressources dont nous disposons. Et quelle que soit la situation, euh, cela ne doit pas être euh, empathique. Aujourd'hui, il y a un éveil de conscience qui se développe, que ce soit au niveau local, national ou international. Et cela démontre aussi la nécessité euh, d'intensifier ce, euh, euh, ce, genre de vulgarisation pour que les gens soient suffisamment informés aussi. La sensibilisation, elle est importante. Merci beaucoup, Monsieur Sania Yoba, directeur exécutif de JVE, Jaune volontaire pour l'environnement. Monsieur Alfred Goubadier, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, Gaza Presse, DIH, DH. En droit international humanitaire, on dit que les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles euh, est interdite. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Puisque vous avez touché l'arsenal juridique, je voudrais permettre à nos auditeurs de comprendre un peu euh, la source de cette protection mhm. de l'environnement en période de conflit armé. Je voudrais déjà dire qu'il y a un certain nombre de principes généraux. Mhm. Il y a également des traités qui protègent indirectement l'environnement. Et enfin, il y a des traités spécifiquement mm. adaptés à la protection de l'environnement. Donc s'agissant du, du principe général qui consacre la protection, déjà, le, ce premier principe du droit international humanitaire euh, qu'il convient ici d'énumérer, c'est celui selon lequel les parties au conflit n'ont pas le droit de choisir des méthodes ou des moyens de guerre illimités. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une limite dans le choix et les méthodes de guerre. Mm. Et ces principes là émanent de la déclaration de Saint-Pétersbourg. Vous voyez. Donc, maintenant, s'agissant des, traités qui protègent indirectement l'environnement, on en a euh, toute une panoplie. Mais je vais juste citer quelques-uns. Par exemple, vous avez le protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, mhm. et des moyens bactériologiques adaptés qui ont été adoptés à Genève le 17 juin 1925. Vous avez également la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou toxines et sur leur destruction, qui a été adoptée le 10 avril 1972. Et enfin, vous avez la Convention sur l'interruption ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, mmh. adoptée le 10 octobre 1980. Ça, ce sont les, traités qui mhm. protègent indirectement. Parce que si vous regardez un peu dans tous ces traités-là, il est question de, l'utilisation d'une certaine catégorie d'armes qu'on peut estimer qui peuvent causer des dommages à l'environnement. Mhm. Et enfin, vous avez certains traités qui protègent spécifiquement l'environnement. Là, il s'agit de deux traités qui peuvent être mentionnés. Vous avez la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile qu'on appelle mode qui a été adopté dans le cadre des Nations Unies le 10 décembre 1976. Fin de modification de l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire par exemple C'est-à-dire les parties au conflit peuvent décider d'introduire certaines substances chimiques mhm. afin de changer l'air naturel. C'est des, des, des, substances qui... Pour par exemple la population. Qui ne permettent pas aux gens D'évoluer les conditions naturelles. Mhm. La vie n'est plus possible. Et cela peut procurer un certain avantage militaire mhm. à la partie qui, qui l'utilise. Mhm. Donc il est formellement interdit ici d'utiliser cette technique-là pour modifier le cours naturel de l'environnement. Donc vous avez également le dernier traité que j'allais évoquer, c'est le protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1977. C'est-à-dire les conventions de 1949, mais le protocole, lui, de, de 77. Donc, ce protocole-là, je m'en vais juste euh, lire euh, ce que prévoit l'article 35 hmm. de ce protocole. Alors, au terme de, de l'article 35 du protocole additionnel 1 hmm. aux conventions de Genève, la première partie dispose que dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir les méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité. Deux, deuxième point, il est interdit d'employer des armes, des projectiles, ou des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des mots superflus, comme là on l'a rappelé tout à l'heure. Mhm. Il est interdit d'utiliser des méthodes ou des moyens de guerre qui sont conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. Mhm. Et enfin, l'article 55, toujours du, du protocole. Cet article-là est même intitulé Protection de l'environnement naturel. Au terme de cet article, la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l'interdiction d'utiliser des méthodes ou des moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel, compromettant de ce fait la santé ou la survie de la population. Et mmh. enfin, les attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles sont interdite, comme vous l'avez rappelé. Et c'est là la question que vous posez. Donc, si par exemple, une partie au conflit, sur la base déjà de toutes ces dispositions juridiques rappelées, mmh. doit utiliser des mesures de représailles, ou bien doit, doit utiliser l'environnement comme mesure de représailles, alors là, elle est en porte à faux avec le droit international humanitaire. C'est-à-dire, aucune partie au conflit ne peut se servir de l'environnement pour porter atteinte aux populations civiles. Certes, quand on veut atteindre un objectif militaire, il y a souvent le cas de l'évaluation des dommages. Donc, on peut évaluer voir est-ce que l'attaque que je vais mener est proportionnelle à l'objectif que je vais atteindre. Et ce dommage-là peut être causé sur l'environnement. C'est le cas, par exemple, des points d'eau. C'est le cas, par exemple, des plantations pour les populations. Mmh. Et ce sont des choses qui sont vitales pour la survie de la population. Si donc les parties au conflit doivent changer l'air naturel, parce que vous avez entendu parler de l'utilisation des gaz toxiques hum. sur le théâtre de hostilité. Souvent, cela peut avoir des conséquences sur la santé de la population. Donc, les belligérants doivent, en toutes circonstances, prendre des mesures pour protéger la vie des populations. Et par ricochet, la protection de la vie des populations également touche la protection de l'environnement. Dès l'instant où l'environnement naturel est touché, la survie de la population est quelque part mise à rude épreuve. Hum. Si par exemple on devait polluer les points d'eau, Comment est-ce que les populations, les populations civiles peuvent avoir de l'eau, non seulement pour l'hygiène, et on a vu récemment avec la Covid, l'impact des, ou bien l'importance des points d'eau pendant cette période. Donc, ça veut dire que les cours d'eau, ou bien tous les biens indispensables à la population civile, qui sont en lien direct avec l'environnement, doivent être protégés. Merci beaucoup, monsieur Lawal Abdoulaye, conseiller juridique euh, de la délégation du CICR euh, au Niger. Quelles euh, sont les conséquences en cas d'attaque euh, au niveau des conflits à l'environnement Ce sont au fait des dommages étendus, durables et graves hmm. à cet environnement, mais aussi l'environnement en tant que bien de caractère civil est un aspect important pour, en tout cas, euh, la survie même de l'espèce humaine. Mm. Euh, vous n'êtes pas sans le savoir euh, que l'environnement, dans tous ses aspects, a cette interdépendance. Si par exemple il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'air où la faune va se développer, Mhm. vous pouvez en tout cas envisager en tout cas la disparition même de, de, de, de cet environnement. Mhm. Ça conduit à euh, des déplacements même. On a vu que par exemple le ministère en charge de l'environnement a expliqué que le Niger perd chaque année 100 000 hectares de terres euh, euh, arabes. Tout à fait. Ce qui crée des migrations parce que quand la terre ne produit plus, les gens sont obligés de quitter. Et, et, et, cette situation, par exemple, en temps normal, c'est mhm. vrai, l'environnement aussi impacté euh, par l'activité humaine. Mhm. Mais euh, c'est surtout aussi en période de conflit qu'on voit en tout cas une dégradation euh, avancée, non seulement du fait de, des hostilités et des méthodes et moyens de guerre mhm. utilisés, en tout cas si cela se fait sans contrôle, mais aussi les déplacements des populations. je prends un exemple, par exemple, euh, au niveau de, de, DIFA, par exemple, où des populations euh, du Nigeria euh, étaient obligées de se retrouver, en tout cas au Niger, pour être dans un endroit un peu plus sûr mm. par rapport à leur, pays d'origine. Mm-hmm. Et l'impact, c'est quoi C'est la coupe de, de, bois, non seulement pour l'habitation, mais aussi un commerce euh, s'est développé, notamment la fabrique de charbon, qui est en tout cas inhabituelle dans la région de Difa. Mhm. Et euh, de ce point de, euh, au regard de la situation, l'environnement s'est retrouvé carrément et en tout cas détruit. C'est vrai qu'il y a la loi qui protège euh, euh, les arbres. Euh, tout à fait. Et quand des gens arrivent et commencent à les couper, à les détruire, fabriquer du charbon juste pour avoir de l'argent. aussi et subvenir à leurs besoins. Leur toit, mhm. c'est quand même important. Mhm. Par exemple, si vous avez plus de 20 000, 10 000 personnes qui se déplacent, mhm. vous voyez donc quand euh, vers par exemple Garouanzam, euh, mm l'environnement a été pratiquement détruit, soit pour des fins d'habitation ou bien pour la survie, parce que les gens font la coupe de bois pour vendre ou bien faire du charbon. Maintenant, on se replie par exemple vers Maine, où il y a en tout cas euh, une, un environnement, en tout cas où il y a des, des, arbres, la nature et les gens dépendent de cet environnement. Mm-hmm. Donc c'est très important dans le cadre de la, de, de, de, euh, la préservation de l'environnement, de sensibiliser aussi, mm-hmm. même si ce n'est pas en tout cas facile. Eh, des dangers qu'un éclatement de conflit eh, peut, en tout cas donner. Merci beaucoup. Sani Yuba, directeur exécutif euh, de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, veux. est-ce qu'il vous arrive euh, de mener sur le terrain justement des sensibilisations dans le cadre euh, de cette préservation de l'environnement en temps de conflit, par exemple Effectivement, euh, nous avons eu à intervenir dans la région de Diladéry et de Difa, mhm. euh, spécifiquement auprès des communautés qui sont impactées. Par exemple, à Difa, nous avons travaillé avec euh, des femmes réfugiées dans le cadre de la sensibilisation, surtout par rapport à l'usage du bois. Mhm. Parce que vous savez bien que avec euh, des déplacés et autres réfugiés, cela a eu un impact considérable sur le couvert végétal dans cette localité. Mhm. Donc nos actions ont amené ces femmes à réduire leur consommation du bois et, mieux encore, nous avons eu à mettre à leur disposition des foyers améliorés, des fours euh, que nous avons appelés fours pain, spécifiquement pour les femmes qui font le fumage du poisson. Mhm. que vous savez, c'est aussi une activité génératrice de revenus pour les femmes, mais qui consomment énormément de bois. Mhm. Donc l'installation, la mise à disposition de ces foyers améliorés avait permis à ces femmes de réduire la consommation du bois, de se tourner vers d'autres alternatives qui utilisent, parce que c'est des foyers américains qui utilisent autres résidus agricoles comme combustible. Donc, dans la région du fleuve aussi, c'était la même chose. C'était surtout tout au long de la vallée du fleuve avec la promotion des fours à balles de riz. Parce que la balle de riz, elle n'a pas de valeur marchande. Elle, elle, est disponible aussi tout au long de cette vallée là où il y a les rivières. Donc, euh, amener les gens à retourner euh, dans l'utilisation de ce euh, combustible a même euh, réduit un peu l'impact sur le bois. Et surtout de les amener aussi à planter, à planter des arbres, planter, entretenir des arbres. nous continuons à passer ces messages pour que nous puissions euh, amener, en tout cas, que ça soit au-delà euh, d'une question de, de mode et tout, mais que ça soit dans l'habitude de notre communauté, dans l'habitude des Nigériens la préservation de l'environnement, la plantation et l'entretien des arbres. Ça, c'est entre autres actions que nous menons. Et mhm. nous contribuons aussi à travers l'éducation environnementale, que ce soit euh, à Agadez, euh, à Maradi, dix fois même, dix fois avec l'université et l'école euh, Idrissa Laouma et il y même dans quelques écoles, la promotion de l'éducation environnementale pour que les plus jeunes puissent déjà s'approprier les enjeux et les bas liés à la préservation de l'environnement. Pour nous, c'est très important qu'on puisse inculquer ces valeurs à bas âge pour que quand les jeunes, les enfants vont grandir, qu'ils puissent grandir avec cet esprit écolo, cet esprit de prise en compte de, de l'aspect environnement dans tout ce qu'ils auront à mener plus tard. Merci beaucoup. Nous entamons la dernière euh, partie de ce forum ayant pour thème la préservation de l'environnement en période de conflit armé, comment y parvenir. Le Niger et le Sahel en général sont confrontés depuis plus d'une décennie à des menaces euh, et attaques euh, terroristes. Alfred euh, Goubaye, président du Raza Press, à ce niveau en tant qu'acteur du domaine, quelle analyse faites-vous de la situation du Niger en termes de respect de l'environnement en période de conflit armé Merci beaucoup, Monsieur Michel. je crois que tout à l'heure, le directeur exécutif de JEV, Sani Ayouba, avec lequel nous avons également travaillé euh, où euh, travaillé, nous continuons de réfléchir sur des thématiques justement en lien avec euh, la protection de l'environnement. Mhm. Là, on l'a rappelé aussi, avec Sani Ayouba, nous étions à la commémoration du 12 du, de l'adoption des conventions de Genève, le, son 12e mhm. anniversaire le 12 août passé, mhm. justement. Donc, euh, en fait, nous avons, euh, comme acteurs du domaine, des actions de sensibilisation et de formation mhm. que nous menons dans le sens d'attirer l'attention des décideurs politiques et des belligérants quant au respect des règles du droit international humanitaire. Mhm. Maintenant, s'agissant de la situation du Niger, le Niger est parti aux conventions de Genève. Le Niger a ratifié ces textes dans lesquels il est clairement défini l'obligation pour les partis ou les États de respecter les dispositions du droit international humanitaire. Et nous pouvons nous féliciter euh, déjà de constater euh, qu'il y a quand même une avancée énorme dans le sens de la préservation de, de, de l'environnement. Certes, on ne peut pas dire que euh, à 100% les textes sont respectés, mais on peut se féliciter quand même sur une grande partie, on a euh, quand même satisfaction. Parce que quand vous regardez le conflit tel qu'il se déroule actuellement, tout à l'heure, euh, M. Sani Ayouba a parlé des activités qu'ils ont euh, menées à Difa, dans le cadre justement des activités de JVE. Donc, vous n'avez pas entendu une certaine plainte quant, à la, quant aux attaques des points d'eau ou à l'environnement de manière générale. Mais nous voulons encore ici profiter de votre micro pour appeler euh, aux États, pour appeler euh, les, décideurs politiques mm-hmm. de renforcer euh, leur vigilance mm-hmm. ou de redoubler d'efforts dans le sens de la protection de l'environnement. Et comme l'a dit M. Lawal tout à l'heure, cet environnement est le bien que nous avons. C'est-à-dire sans cet environnement, la vie peut être quasiment impossible, mm. tant pour les populations que pour euh, euh, les animaux, etc. Donc, il y va de notre intérêt à nous tous. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs, nous essayons toujours de mener des actions de plaidoyer et de sensibilisation pour rappeler non seulement hum. aux décideurs politiques leurs obligations souscrites dans le cadre des conventions internationales, hum. mais également aux partis, au conflit, aux belligérants, leur obligation de respecter le droit international dans le sens de la préservation de l'environnement dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup. Monsieur Lawal Abdoulaye, conseiller juridique euh, du CICR euh, au Niger, mhm. la législation nigérienne s'intéresse-t-elle suffisamment à cette euh, protection de l'environnement en ben, temps de conflit armé En tout cas, l'État du Niger a signé et ratifié en tout cas les conventions de Genève qui mhm. figurent parmi, en tout cas, les traités les plus universellement euh, ratifié au monde mhm. euh, et que euh, aussi à l'interne. Donc cela implique des obligations de mhm. mise en œuvre. le CICR est là pour l'accompagnement. Mais déjà dans l'arsenal juridique interne, il y a plusieurs dispositions, et euh, il y a plusieurs instruments euh, juridiques pertinents, mhm. euh, à commencer d'abord par la Constitution. Mhm. la loi fondamentale. oui. à, son article 35, elle dit que toute personne a droit à un environnement sain Mhm. et l'État a l'obligation de protéger l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures. Mhm. Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit. Ça veut dire c'est la Constitution même la qui fait de ça une obligation pour l'État. Tout à fait. Et c'est une obligation permanente. d'avoir euh, avoir un environnement sain. Dès que l'environnement est menacé, l'État doit agir, c'est ça Effectivement. Et il y a aussi euh, mhm. euh, ce qu'on oublie l'État du Niger, euh, euh, notamment en termes de, mise en œuvre de la protection de l'environnement, à l'article 72 euh, de la Constitution, mhm. la protection de l'environnement figure parmi les points, en tout cas sur lesquels l'État du Niger mhm. coopère avec les autres États, coopère avec les autres institutions internationales comme mhm. les CICR pour mieux préserver. Ça veut dire au cas où l'État se sent limité il peut faire appel aux partenaires. pour qu'on vienne euh, l'appuyer. Et c'est ce qui est fait habituellement dans le cadre de la gestion des déplacés internes, la gestion des réfugiés, les populations civiles lorsqu'ils ont des problèmes, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'hébergement, tout ça. Tout à fait. Quand l'État ne peut pas, il fait appel. Et, le CICR mhm. est là aussi mhm. euh, pour euh, appuyer l'État. par exemple, il a euh, élaboré des directives en 2020 mhm. sur la protection de l'environnement, qui est un document très très intéressant, qui, qui est composé de 32 règles et recommandations en lien avec la protection de l'environnement en vertu du DIH. Ce sont des instruments, en tout cas pertinents, pour aider l'État à mieux mettre en œuvre cette euh, protection de l'environnement dans tous les aspects. Mais qui est censé en réalité veiller au respect de ces dispositions euh, juridiques euh, Nous avons la Constitution, l'article 35 qui Le destinataire premier de l'obligation de la protection de l'environnement, c'est l'État. Mhm. Donc c'est l'État le premier à garantir ce respect de l'environnement. Le respect de la protection de l'environnement. Mhm. Et euh, donc, euh, c'est à lui qu'il incombe de former, de sensibiliser. Et le CICR euh, contribue à chaque fois mhm. qu'il y a ce besoin-là d'aider aussi les autorités à sensibiliser sur des thématiques euh, en tout cas d'intérêt pour le droit international humanitaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sani Ayouba, directeur exécutif euh, de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, j'y vais en ligne au téléphone depuis Sharm El Sheikh où se déroule euh, la COP 27. Nous venons donc d'écouter le conseil juridique du CICR au Niger. On l'a compris, il y a donc des dispositions juridiques dans la Constitution, notamment l'article 35 qui oblige l'État à créer un cadre euh, où on a un environnement sain pour toutes euh, les populations du Niger. Il a également expliqué avec euh, l'autre invité qui est Alfred Goubagué la question même des dispositions prévues dans les conventions de Genève, le protocole additionnel de 77 qui voir une bonne protection de l'environnement en temps de conflit armé. Quel regard avez-vous par rapport euh, à la mise en application de toutes ces dispositions juridiques en termes de législation au Niger sur l'environnement Vous savez, le Niger regorge quand même un dernier salaire juridique assez important par rapport à la préservation de l'environnement. Mais euh, la, difficulté réside vraiment dans la mise en œuvre effective. Mmh. c'est à ce niveau que nous devons fournir... Euh, ces efforts, que ça soit au niveau des gouvernements des citoyens, pour l'appropriation de ces dispositions. Donc il est important que chacun puisse jouer pleinement son rôle dans la promotion de, euh, de, droits ou de ses instruments juridiques et dans leur mise en œuvre. Mmh. Quand on prend rien que la question de la loi sur les sachets plastiques, vous savez, euh, c'est passé au Conseil des ministres, euh, ça a été adopté, il y a eu un décret de mise en œuvre, etc. Mais jusque-là, sur le terrain, elle n'est pas effectuée. Mmh. Alors donc, il faut véritablement une sensibilisation des populations par rapport au bien fondé de ces instruments. Parce que, comme on le dit, la terre ne nous appartient pas, l'empreinte à nos enfants. et c'est pourquoi il est important que chacun, en tout cas, puisse faire des efforts dans ce sens, dans la promotion ou dans le respect des règlements que nous nous sommes euh, librement choisis. Hum. Et en plus de cela, ouais, au niveau international, il y a des instruments complémentaires. En dehors des conventions de Genève, Aujourd'hui, il y a suffisamment d'instruments qui sont supranationaux que nos États euh, se sont, en tout cas, se, sont appropriés ou bien ont ratifié, signé et ratifié et que nous devons mettre en œuvre pleinement. Donc, euh, c'est pourquoi j'en appelle vraiment à une vulgarisation effective de ces, de ces instruments et une meilleure appropriation par les différents parties prenantes. Donc, euh, c'est très important que chacun puisse jouer son rôle euh, à ce niveau. Et en plus de l'État aussi aux, citoyens en tant que en tant que citoyens aussi, nous devons jouer notre rôle pour comprendre que la question environnementale, c'est une question qui concerne tout le monde. Ce n'est pas une question alléguée seulement aux, dirigeants ou même, euh, comme on le dit, euh, aux forestiers, mais c'est une question d'ensemble. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, nous comprenons que c'est très important que chaque, tous les acteurs soient. Aujourd'hui, ici à Chalmachek, nous avons le secteur privé, la société civile, les parlementaires, les élus locaux, les gouvernants, les scientifiques. Donc tout le monde est là et c'est comme ça aussi, c'est ensemble qu'on peut réussir à gagner le pari par rapport à cette crise climatique, par rapport à la crise euh, environnementale. Donc il est important que même au niveau de nos pays, euh, les différentes parties prenantes soient pleinement associées et, et impliquées. Mhm. Merci beaucoup, Sania Yoba. Alfred Goubagué, juriste et président du Raza Press DH, euh, DH. Euh, Toutes les parties au conflit sont-elles suffisamment sensibilisées sur l'importance de cette protection de l'environnement en temps de conflit armé Qu'en est-il par exemple des groupes armés non étatiques dont la nature des attaques euh, rend asymétrique euh, très souvent ces conflits que nous avons. Il faut dire que, et vous l'avez si bien dit, la guerre asymétrique aujourd'hui est un défi. Parce que quand vous parlez de l'asymétrie de la guerre, cela sous-entend que euh, il n'y a pas une confrontation, si vous voulez, où on voit l'ennemi. Où on voit l'ennemi. en fait, c'est cela le, le, défi mhm. de la guerre asymétrique. Et présentement, nous, sommes en train de, travailler sur justement euh, cette question de l'asymétrie de la guerre. Peut-être que les jours à venir vont nous édifier mhm. sur les résultats de, ces travaux. Mhm. Alors, donc, il faut dire que le défi qui se pose, c'est parce que de l'autre côté, on n'arrive pas à mettre la main sur les groupes armés non étatiques. Mhm. Si vous avez la possibilité de toucher l'armée régulière de l'État, mmh. vous avez la possibilité dans vos actions de faire le plaidoyer auprès de, des autorités quant au respect par l'État mmh. du DIH. Du mmh. Il est difficile quand il s'agit des groupes armés non étatiques. Mais cela n'enlève pas l'obligation pour les groupes armés de respecter les conventions du droit international humanitaire. Toutes les parties au conflit ont l'obligation que ce soit les groupes armés euh, étatiques, tout comme les groupes armés non étatiques, toutes ces parties ont l'obligation de respecter. Maintenant, le défi pour nous en tant Est-ce que sur le terrain, ces groupes armés non étatiques euh, connaissent un peu le contenu euh, de ce droit international humanitaire en l'occurrence ici, les questions de respect de l'environnement, le respect des populations civiles, puisque c'est des gens qui s'en euh, aux populations civiles, alors que dans le droit international humanitaire, euh, une personne qui n'est pas en conflit, on ne doit pas l'attaquer comme ça. Non, vous savez, euh, parmi les groupes armés non étatiques, mm. il y en a beaucoup qui sont, si vous voulez, qui ont des qui ont connaissance mm. de, de, ces conventions. Ils ont, des bagages intellectuels. Ils ont des bagages intellectuels. Souvent, ils ont. Oui, oui. Mm. Ils connaissent et des organisations. Il y en a des organisations internationales qui font des efforts également dans le mm. sens de, de, la vulgarisation des textes, qui ont la possibilité. Il y a, quand par exemple il y a des conflits, de manière neutre et impartiale des organisations qui approchent toutes les parties, dans le sens de la, vulgarisation, de l'appel, du plaidoyer, mhm. pour appeler toutes les parties. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas véritablement de doute quant à la connaissance de ces groupes armés des règles du droit international interne. Mais seulement, c'est une action continuelle mhm. qui doit être continuelle. Il faudrait que l'appel au respect puisse être perpétué. Il faudrait, parce que vous savez, l'homme, il est de nature à ce que, quand il voit ses intérêts menacés, il tend à oublier le droit. Mmh. Donc, ce qui fait qu'il faut constamment rappeler les partis au respect de leurs obligations mmh. conventionnelles. Merci beaucoup, Monsieur Lawal Abdoulaye, conseiller juridique euh, du CICR euh, au Niger. Peut-on aujourd'hui amener les terroristes, euh, par exemple, à respecter le droit international humanitaire dans son volet respect de l'environnement en temps de conflit. On voit justement que quand c'est l'armée, par exemple, euh, qui ne respecte pas, euh, tout de suite, il y a un ras-le-bol qui fait que l'armée s'explique ou bien l'État parle au nom de l'armée par la voix du gouvernement et on a l'impression qu'on essaye d'améliorer les choses très rapidement parce qu'il y a un interlocuteur. Mais quand c'est les terroristes, est-ce qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'acteur, vous arrivez à les convaincre sur la nécessité de respecter euh, je voudrais euh, tout d'abord euh, souligner que nous, dans notre langage, nous disons euh, les groupes armés non étatiques, pour ne pas, en tout cas, groupes euh, armés non étatiques, pour ne pas dire terroristes. cette neutralité mhm. euh, vis-à-vis des parties vrai au conflit. Au niveau de l'infraction pénale, on peut condamner pour terrorisme, mais pour garder la neutralité donc du CICR, vous proposez l'appellation donc groupe armé non étatique. Mhm. je voudrais dire la protection de l'environnement euh, se fonde sur quatre éléments mhm. essentiels. Euh, d'abord, la diffusion, comme euh, des règles du DIH, comme votre studio contribue bien à le faire, mhm. puis intégrer mhm. les règles du DIH dans les doctrines militaires, dans les modules de formation des universités, des instituts, des grandes écoles, aussi l'élaboration des cadres juridiques en tout cas l'approfondissement du cadre juridique euh, euh, et des politiques nationales, mhm. adopter des mesures destinées à faire comprendre les effets des conflits sur l'environnement euh, afin de réduire au minimum les effets, et identifier les zones particulièrement importantes et fragiles sur le plan environnemental, donc euh, qui vont en tout cas être des zones euh, qui ne doivent pas être affectées par les actions des groupes armés et échanger sur des exemples et bonnes pratiques. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème la préservation de l'environnement en période de conflit armé, comment y parvenir. Nous retenons que la préservation de l'environnement en période de conflit armé est prévue dans la législation nigérienne et ça fait donc partie des obligations de l'État. Cette euh, préservation de l'environnement en temps de conflit est également prévue dans les conventions de Genève du 12 août 1949 et leur protocole additionnel, notamment le protocole additionnel de 1977. Il faut donc continuer à mener les sensibilisations à tous les niveaux pour euh, arriver à améliorer cette euh, situation de la problématique de préservation de l'environnement en période de conflit armé. Nous étions en compagnie de nos invités Lawal Abdoulaye, conseiller juridique de la délégation du CICR au Niger, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, Alfred Goubagué, juriste également et président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme Raza Press DIH DH et Sani Ayouba, directeur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE, que nous avons eu en ligne au téléphone depuis Sharm El Sheikh où se déroule la COP 27. Et c'est ici que se termine le forum du studio Kalangou de ce soir. Merci de l'avoir euh, suivi à la technique, nous avons Abdulkader Chombiano à la modération de ce forum. Je suis Michel Deji. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.